Amis auditeurs, auditrices, une minute de silence à la mémoire du gouverneur Isaka Hassan Karanta. Merci. Il était avec nous, mesdames et messieurs, vous vous rappelez certainement, en mois d'avril 2019. Nous étions à la place Anoutab, en plein couvre-feu d'Ondi. Mhm. Et il était avec la FADA euh, il était avec nous sur euh, la sensibilisation qu'on devait faire. Et c'était quelqu'un qui était vraiment aux côtés de la jeunesse. C'est quelqu'un qui, qui, nous a accompagnés. Aujourd'hui, sur l'émission Tous à la Fada, nous rendons hommage à, M. monsieur le gouverneur. Bonsoir et bienvenue sur un nouveau numéro de Tous à la Fada votre émission qui donne la parole aux jeunes. Cette semaine, nous parlons de la Covid. Et eh oui, la deuxième vague de la pandémie tant redoutée a frappé le monde et le Niger avec. Les derniers chiffres rendus publics par les autorités à la date du 23 décembre 2020 parlent de 1209 cas actifs, 89 décès et c'est d'ailleurs pourquoi le Conseil des ministres du 11 décembre 2020 a ordonné d'ondi la fermeture des écoles du 17 décembre 2020 au 1er janvier 2021 et l'interdiction des ateliers et autres séminaires le Conseil des ministres du mercredi 23 décembre 2020 a également ordonné la fermeture des bars, boîtes de nuit et lieux de spectacle pour deux semaines. Ce même Conseil des ministres interdit le rassemblement lors des mariages, baptêmes, décès et autres vendis. La campagne électorale qui inclut grands rassemblements, meetings et votes se déroule normalement sans qu'apparemment l'ombre de la Covid ne pèse sur. certes, certaines directions de campagne ont suspendu leur regroupement pour des raisons de la pandémie entre paradoxes et inquiétude, des populations se pose une question à la fois simple mais difficile. Comment gérer la Covid-19 et ses conséquences dans ce contexte électoral et comment se protéger lors des rassemblements politiques pour cette raison, Rabbi, nous avons vraiment voulu la présence du comité en charge en question de la Covid. Ben, très malheureusement, n'ont pas répondu présent. Jeunes et processus électoral. Au Niger en pleine pandémie de Covid-19. Comment se protéger Tel est notre thème du jour. Nous en parlerons avec nos invités qui vont se présenter tout à l'heure. En attendant, nous vous rappelons, chers auditeurs, que tout à la FADA, c'est 35 minutes de d'échange. La musique et aussi Mr. Olivier qui va ponter son nez dans un instant cette émission pour nous parler euh, de la chronique. Olivier, de quoi parle le texte aujourd'hui Eh bien, on va aller tout droit au but. Ce soir, on va parler du civisme digital. En gros, comment est-ce qu'on peut adopter des comportements civiques sur les réseaux sociaux. Ah Merci Oli, à tout de suite. Je rappelle à nos auditeurs quand même qu'ils peuvent réagir sur nos émissions en envoyant jeune au 80 06 88 à 54. Top, c'est parti lundi. Localisation géographique. Nous nous trouvons en ce moment précis où je vous parle au niveau de mon ami Kémy Seba, nous sommes <clears throat> à l'université Abdoumoun de Niamey. Euh, vous êtes euh, en compagnie de Gonda Damaria Maman Bachir, mais j'ai préféré aujourd'hui m'appeler Bachou Kemi Seba parce que j'estime que aujourd'hui cette émission entre dans moi mon combat. Waouh, c'est son combat. Allure, Alors tu vas continuer avec les autres. ah, je te dis. <laughs> Ah, Sur cette émission, nous sommes également avec Emmanuel Robert. Il représente le CNJ. Ça va, Emmanuel Ça va bien, bonjour. Ça va, alhamdulillah, ça va très Et la jeunesse Ça va très bien. Okay. Super. Dans cette phase, nous sommes également avec euh, le délégué euh, général Commission Bâtiment et Salubrité, Anan. Ça va Bonjour. Yakake. Ça va très bien. Camarade étudiant. <laughs> Ah merci pour l'accueil. Euh, et merci bien aussi de m'avoir invité à cette euh, émission pertinente. Oh. Nous sommes sur l'émission du Salafada. Nous respectons les gestes barrières. Un mètre de distanciation. Jeunes et processus électoral au Niger, en pleine pandémie de la Covid-19. Comment se protéger C'est le thème du jour pour ceux qui venaient nous prendre en cours nous commençons l'émission avec notre première série de questions. Monsieur Kémy Seba, c'est ton combat et je suis chez toi. La Covid s'invite à la campagne électorale. Est-ce qu'une surprise ou bien c'est prévisible de toi à moi euh, De toi à moi, je préfère vraiment dire la vérité parce que euh, bien avant, bien avant les élections, tout le monde savait que quand ça va commencer à chauffer, quand ça va commencer à être euh, euh, imprévisible, l'issue de sortie pour les uns et les autres serait de restreindre les libertés d'expression, de restreindre euh, les rassemblements qui peuvent leur être préjudiciables. Parce qu'aujourd'hui, les campagnes, quand je, quand je mobilise 1000 personnes, je suis sûr qu'ils ne vont pas me contaminer, je vais me retrouver au bon milieu de ces gens. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, au Niger, quand euh, les étudiants, les élèves se retrouvent toujours dans leur cadre, dans leur établissement, c'est un danger. C'est un danger pour la politique, c'est un danger pour l'homme politique, donc il faut créer les conditions pour éteindre ces voix donc ban ah. hmm. iya ganewa ka tahi garin mu ka ce ka ayi karatu mhm. kuma ka zo ka tara mu da mu da uwaye mu da yan kalaskin mu ka zo ka ce wai za mu saurare ka on leur pose la question sur télévision c'est la commission n'est-ce pas débat ça c'est Kémy Seba ça c'est là oui oui vraiment j'attends une réponse parle Kémy Seba de l'UAM Emmanuel Robert duk wani abin da ya shahi propagande da abin da ya shahi wani hada-hada da ake yi da wani wanga ke duk da a ce ma a cikin nasu akwai wanda suka fasa amma dai wannan ba a tsira shi ba wani abin da ake cima wani botroni wurin rawa a ganin ku me yasa wai wannan mai zurkin aka ɗauko su hakan ga me yasa aka ɗauki wannan dokar take haka to muna so godiya nake da wannan zarafi da aka bamu mm-hmm. domin mu sa albarkacin bakin mu bisa ga wannan zance yadda kuka yi tambaya tambayar ku tana iya samun amsa amma amsa ta wata aka diba da wuya take saboda in aka duba sai mu lura mu ce ya kamata hausa suke cewa in za a shan giya a shatar ta dubu kenan in abun saboda ciwon ne ake nan ga tsida abu ya kamata a tsida a fara daga manya zuwa kanana ba daga kanana za a fara ba daga kanana eh, za a fara ba a ga manya ya kamata ciwon inda yake farawa inda ake gamuwa da yawa ne ya kamata a samu a tsida wurin sannan a zo wajen kananan wuraren su da za su kai ciwon amma sai muka ga abun an yi shi wata kala kuma da aka yi shi ba a ba da eh, jawabi ba dalilin da yasa aka yi wannan anan ma dai matakanci na irkore ni da. ina la gayi kampanya gogu koi sappa su bano matano aran o aranti alhaluga parce que bore kanyen himam ka gu turse organisation o bon matkina nunge goga bore sokonda pour que doro wo kamba ga sai ne kole dabu irma su ga sambu nan kan bore margu bon bore wo manka misali ga komitano irsan bise lettre ni ce matano woni ne bera kan kirko ne monduma ok to e, am si a dondi mm. zanga manto bayre <laughs> une, profonde réflexion intense pour savoir que les gens ont, ont défini eh, une ligne conductrice par rapport à cela din lokcio din za covido man ba irga ma go labuwa naira oh. ingano ine irse fatenga di in gayi in sanno din iduga e tu fandan kelketa in bore confiné to somo il murado ban ibay kan labi de dirgan niyan ma taro no aktar dirgan no in labi de dirgan din sanno din ibisaga song ikanda bore lo kole te hayame bore ye ko lo kole go choy go tay kulu somo ko ne election ay ka yadinga covid do ine hay hannono kan gingay servir pour atteindre à leur but Le bene covid ganda irgu rabi pause musicale la rubrique l'artiste s'exprime tasir quoi une euh, autre jolie rubrique l'artiste s'exprime nous sommes avec euh, les filles Rabia Maikano la femme est une créature sacrée. T'étais avec On kiffe. Le collectif Son Niger, on parle des élections apaisées et tout de suite, la suite, halfway but a donkey. Yeah, yeah, na na, yeah. Matama iko, we bora dangi, basira soro, we bora dangi. Yasuno mata uta uta, kama masa mata kama We bora dangi. La femme Webordanji est une créature sacrée, mesdames et messieurs, sur l'émission Tous à la Fada, l'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, sur Tous à la Fada, l'artiste s'exprime. Hey. Tous à la FARA, votre émission Jeune ouvre régulièrement une fenêtre consacrée à l'art et à ceux qui le pratiquent. Pour ce numéro de la rubrique L'artiste s'exprime, Oui filles, oui artistes, oui régions, oui langues pour chanter ensemble des causes communes et qui nous concerne tous. Recevez, les ans de gentlemen, chers amis auditeurs et auditrices du studio Kalangu, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices des télépartenaires du studio Kalangu, le collectif Soniger. Eh les filles, comment vous allez Je vous demande de vous faire un maximum de bruit. Alors vous êtes des Wobord dandy Ok d'accord et merci bien évidemment pour euh, donc cette chanson en début de cette rubrique et cette chanson qui nous a certainement émerveillés cette chanson qui aussi a émerveillé la jeunesse nigérienne connectée un peu partout à travers le Niger, à travers les huit régions. Vous êtes en tournée et nous vous avons sollicité sur cette émission pour qu'ensemble nous puissions parler non seulement de votre parcours, mais aussi de cette chanson qui fait feu. Les je commencerai par toi parce que toi qui es à ma droite. Oui, je m'appelle euh, Aishat Seydou. Je suis artiste, chanteuse et membre du collectif Soniger. Je vous demande de faire le maximum de bruit pour cette dame, s'il vous plaît. Et à ma droite, je suis avec. Euh, et moi aussi, je me présente, Oussein Leila, Ok. dite Chocolaté. Ok. membre du collectif Soniger. Membre du collectif Soniger, Chocolaté. Elle n'est plus à présenter, on l'a une fois reçue sur cette émission. Marie Diallo ben, tu vas te présenter pour euh, donc ceux qui viennent de nous prendre en cours quand même, Marie. Exactement, tout à fait. Mhm. Je me présente au nom de Marie Diallo, artiste, danseuse et rappeuse du collectif Soniger. Waouh <laughs> wow. Vous avez certainement constaté un peu de rap sur l'émission. ah, bien sûr. Eh, elle rappe, hein. elle rappe, elle rappe dans le sang. Elle est le plus obligée à présenter. Ok, d'accord. Elle est au sein de la chorale. Ok, d'accord. Universitaire. Ok, d'accord. Lacune. Mais Sakina, tu vas aussi placer un mot quand même. Tu vas dire un mot, tu vas te présenter à l'endroit donc euh, de cette jeunesse qui nous kiffe. Bien évidemment. Bonjour, euh, moi c'est Lawali Hassan Sakina. Vous me connaissez aussi. Voilà, tout simplement. Je suis membre du collectif SoNiger Niger. Merci. Et eh, celle qui est là aussi avec moi, eh, je vous demande les filles elles vont se présenter. Celle qui est aussi avec moi, eh, on l'a connue de la chanson, le beat. Hein? Eh, ok, d'accord, elle va, elle va prendre son, son, passage sur le beat. Tu peux me faire un peu ton passage pour te présenter à l'endroit de tout ce qui nous kiffe un peu partout bon J'aime bien cette fille. bien sûr. Vous rappelez de cette fille, ok, d'accord. On a fait la promotion de cette chanson. Ouais, eh, tu vas te présenter, tu vas te présenter parce que ben, voilà quoi. C'est quoi déjà ton nom Tu peux me dire ton nom Tu es qui C'est Oumina. Oumina. Artiste chanteuse du membre, et membre du collectif Son Niger. Moumira, artiste et chanteuse, membre du collectif Son que Ah, super la meuf, elle est slameuse, ok d'accord. Elle, elle cartonne comme pas possible, elle, va se présenter. Elle aime tout ce qui est gay, est elle aime ça. Est-ce qu'il y a des est Est-ce qu'il y a des bulles Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls de la place Chacun va dire un truc, là, hein. bientôt la chanson. On va euh. revenir avec les différentes langues du Niger sur le deuxième angle. Ok les meufs euh, Moi je suis Morheg Nouratou. Mhm. Appelez-moi Nourat. Nourat. Je suis artiste slameuse. Qu'est-ce que c'est concrètement Explique-moi un peu le contexte So Niger. So Niger ce qui veut dire d'abord kauna. Kauna. L'amour. L'amour. Niger. L'amour au sens large. L'amour au sens large. Donc, un on aime le Niger. Ah, voilà. Ça a été créé récemment. Ok. Et qui est composé de huit filles. Huit filles. actuellement sur ce plateau. Alors, est-ce que on peut avoir un message, un message très très fort à l'endroit de la population

tsakanin mu domin a kawo tashi hankali kenan mu yi unhwani da ilimin mu yi unhwani da mu duk wanda ya ci allah ne ya sai ya zama shugaba abu guda ne mu raka shi allah ya ba mu zaman lafiya gode a gaishe ku yan mata zancen ku yayi zancen ku yayi maganan ku ta yi daidai c'était la machine et le collectif soniger sur ce Kalaka. Retour sur la FADA aujourd'hui, bien calé à l'arrêt de bus. Kodai ma bus ma san lili kemu. Amma da hira da muke nan ga yau muna so mu san a a samu a kiyaye wa'annan matakan da aka dauka don saboda a kiyaye yaɗuwar wannan ciwon na covid-19 duk da ana harkan wannan zaɓe duk da farfagandi ana ƙara ana haɗuwa hallo muna so mu sani shi yasa muka zo muna hira tare da wa'annan wa'anda suke tare da mu wannan matasan ɗaliban na abu mummuni muna tare da anan délégué général kin commission bâtiment de salubrité nous sommes avec Emmanuel Robert représentant du Conseil national de la jeunesse. Nous sommes avec Bacho Kemiseba, Seba et processus électoral au Niger en pleine pandémie de Covid-19. Comment se protéger Tel est notre thème du jour. Abordons à présent notre deuxième série de questions. En termes clairs, quelles sont les conséquences sanitaires d'une campagne électorale et un scrutin en pleine pandémie de coronavirus Komita Kaimam Toursa Amanka, Kemi Seba, question Godin. nigin gutur saga eh, kamar yadda ka ce <clears throat> ni ban ga wani kalubali da zai iya samuwa ba eh, bisa kan lahiyar 'yan niger a wanga yanayi na covid-19 cikin kuma context kin ga na zaɓe saboda kirkiri an nuna mana cewa siyasa ta hi karatun ƙanninmu da mu ma da muke university Je reviens vers toi, Emmanuel Robert, après que M. Ba, qui m'a cloué carrément. Les élections municipales ont déjà eu lieu. Reste maintenant les législatives et les présidentielles. C'est demain, Inch'Allah. Selon vous, que faut-il faire pour le bon déroulement des votes avec la pandémie euh, Merci beaucoup vraiment pour euh, la question. je pense que c'est clair. À défaut d'interdire euh, les campagnes, les mobilisations publiques, je pense qu'aujourd'hui, vraiment la population doit être consciente euh, se préserver en portant les bavettes, respecter aussi vraiment le lavage des mains, éviter aussi de se serrer les mains, éviter les contacts physiques et aussi vraiment, euh, si possible, c'est difficile, mais si possible, d'observer la distanciation sociale. Et je me dis que si déjà, euh, en dépit de la maladie du, du Covid, et que les élections ont été organisées, ça veut dire que toutes les mesures nécessaires pouvant garantir euh, vraiment la sécurité de la population, de l'individu, de situation lambda et sont, sont réunis. Anan, Irmieka Université Abdoumoun Diofou de Niamey, nous délégués bâtiment, nous, tonumade une école dabu, ene une campagne go continuer, aran face à face matin goti, aran go continuer bâtiment era matkinano aran gote est ce que aran wo aran kandi dispositif yan kanga halasi irman irsinda aucune uh, disposition c'est à dire il y a aucun dispositif qui a été pris à ce niveau parce que c'est pourquoi pourquoi non seulement c'est eux qui sont censés nous assurer les ravitaillements des dispositifs, mhm. mais encore et surtout, mm -hmm. Imagine, nos gens sont en train de se pavaner, sinon c'est paradé partout à l'intérieur du pays pour réunir des milliers et des milliers de personnes. Et on nous demande d'observer des mesures. S'il vous plaît, soyons cohérents. Et, je vous dis, hein, on va prendre du doliprane avec Akim, pause musicale, mesdames et messieurs. Covid. Et tout de suite, la suite. Dieu, c'est Hakim, je de plombé cool, vénère. Quand j'ai choisi le rap, j'ai dit sortir les armes. J'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Maintenant la gestuelle, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey! Yaro kasanda chez dubu semeke iya me hura giban kwanan kunu par a ceke alal misali masta kaya ne kota tanka zo filin daga bambance dan duma da kabewa pour faire la zig suffit pas d'avoir le talent faut de la personnalité et un bon comportement Y'a trop de haine, on s'entretue pour des miettes. Faut garnir l'assiette dans ta tête, mais ça sera parallèle. Mais parlez pas de Dieu, mais parlez pas de son prophète. Mais parlez pas trop de Coran, la foi c'est dans le cœur Tu peux le vénérer, limite faire des louanges. Tu verras les anges qui te diront que la zik c'est pas halal. Kazaburo Kayaro et Mizakayi. Dans Hakim, tu es on a de Magani. C'est un Hankali, on de Yaran Zamani. Zoga de Magani, de Wurin Zoua, Segona. La prod est salivée parce que les vrais l'ont validé. Igo, t'as pas idée de comment moi j'ai charbonné j'ai pardonné sans pardonner. Mais est-ce que Dieu va pardonner? Mais que tu viennes ou que tu vas, sache que le terrain est miné. Ah, Kema Stabe, Agago, Takabani, Meka, Antakaribani, Keba. Parce que le DH est bleu et puis Massifa, le Kebri, la petite nous sert le premier. On va danser sur la trappe au niveau international. Je vois l'amour de mes fans perdu dans les salles. J'ai plus d'amour pour ces gens, je reste le marginal. C'est pas de l'ego trip, non, non, c'est pas des punchlines. Tourner dans les villes avec mes proches, non ça sera l'idéal. suis dans les allées, en haut au sommet de la falaise. Sache que la prod les est elle donne beaucoup de malaise. Dans les allées, je suis calé, tu parles en bien ou en mal. Et sache que j'accomplis le taf et que je vais remplir les salles. Quand j'ai dû pardonner, croyais que j'ai lâché l'affaire. Mais je l'ai fait juste pour revoir les sourires de ma mère. Tu fais du mal, moi je suis resté pêle-mêle. Il y a beaucoup de poubelles chez moi, normal parce que je fais du sol na kera waka Allah ne ya bomba sira Allah se kara albarka ko gobe mu ne gaban babu shakka kana farci mu muna ta gobza aiki in ka kiya dan alla ai zaka yarda dan ubanka j'ai pas besoin de toi j'ai pas besoin de ton soutien j'ai pas besoin de calomnie qui cultive que la haine trop de rancœur dans le cœur de l'animateur et du rappeur ça fait peur ça fait choisi le rap, j'ai dû sortir les armes j'ai payé des mouchoirs je sais que je vais couler des larmes montre moi la gestion, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey! Ouais, c'est blanc, mais la famille. Tu l'as pas vu venir celle-là. Aïe! Je suis le dernier survivant, négro. avait des maux de tête, on avait des maux de tête. On a pris Doliprane avec Mistaki. <laughs> Ah, ah, oh, bien sûr, bien sûr. Ciwon kai abu ce, ciwon kai abu ce. Le plein divertissement. Hira wannan matakan da ya kamata a yi hattara da su ko a ce matakan da ya kamata a ɗauka. domin a yi wannan zaben. Hanan gogo koto hattara da covid. <laughs> <laughs> Zaɓe ne gashi ya zo kuma ga ciwon coronavirus hallo shi ma ya gangaro. To. To, ya ne za a yi, ya ne za a yi don a yi wannan zaben lahiya ba da ciwon wannan ya karu ba hira shi muke nan gayo tare da wa'annan da muka gayyato ga mana a nan a radio bisa na university abdu mummuni wannan hira tare da emmanuel robert representant cng muke nan gayin da basho kimise ba DGA de la Commission des exposés, conférences et débats. Rabia, abordons notre dernière série de questions. Uh -huh. Quel peut être l'apport des autorités d'une part et celui de la population, notamment nous jeunes d'autre part, pour se protéger de la COVID-19 Si aujourd'hui nous sommes dans de telles situations, si nous sommes dans de telles situations, moi je pense que les, nos, dirigeants doivent avoir ce devoir, ce devoir d'honnêteté envers le peuple nigérien. Et le peuple nigérien, naturellement, doit être aussi réceptif, doit être euh, passif, doit être observateur et doit être suiveur. Moi, je dirais que pour vraiment repousser le, coronavirus loin de chez nous, loin de l'Afrique, même pas au Niger, il va falloir que nous apprenons à vraiment, nous apprenons, hein, nous apprenons à appliquer les mesures barrières. Parce que le Covid existe dans le monde. Hein? J'invite, moi, mes camarades, et d'ailleurs le peuple nigérien de façon générale,

ciwon da ya mu saba da shi ya yi shekara guda tare da mu sai in ce abun da na ƙara ga mu agoyi da covid ambulance na go koya a kiyaye saboda ba a sani ba abun da zai iya faruwa gaba kowa ya kiyaye kanshi zo go ku matasa maza da mata iyayen mu abukan mu kowa ya kiyaye wannan mai zuwa bariyar da ake cewa in ka yi shi ko ba dan corona ba saboda abubuwa da yawa ko dan ma tsafta tsafta cikin addini ko dan tsafta ne ya kamata mu kiyaye mu sa bavet mu wanke hannuwanmu dan tsafta mu kiyaye kuma raba juna saboda ba a san abin da zai faru ba sau Ha haggoi da covid ya kamata a kiyaye haggoi da eh, covid ne irin ma an kan ai hanan ba da man taifo hanan yau go bol mi wal man chan bol mi kan bu nyum ni bi na mesko gi tay to ifo di fo nori mar mu te irin ke ki son kai solution de perspective emission go ko ga ban hanan misali ga campagne covid election fermeture d'école Eh, hanan yango ken ne bon wallahi eh, c'est vrai hananiyan aga bori gum quoi zama eh, moi en tant que musulman il y a le prophète qui dit et iman c'est-à-dire la propriété est la moitié de la foi ah. donc je pense que en tant que nigérien en tant que musulman on est on est toujours propre et c'est quelque chose qui relève d'ailleurs de notre tradition mhm. donc euh, et, ok mesurer kayan ima irim ga bon quoi Olivier, et tu es là aujourd'hui, c'est très chaud. Eh bien, comme annoncé au sommaire, ce soir, nous allons parler de civisme digital, le civisme 2.0. Dernière chronique de cette année 2020. Merci à vous, chers amis auditeurs et auditrices, qui nous écoutent grâce à nos 46 radios partenaires L'émission Tous à la Fada par ma voix vous dit infiniment merci. Eh bien, nombreux sont ceux et celles qui vous diront que l'année 2020 a été pour eux une année de rude épreuve. Eh bien, gardons espoir. Mais avant d'entamer cette année nouvelle, dans la chronique de ce soir, nous allons parler de civisme digital. Et oui, le civisme 2.0 existe. Grand frère, Dondi, euh, t'as déjà entendu parler du civisme 2.0, toi civisme euh, Android. Ah oui, Android, digital, tout simplement. Digital, tout ce qui va. Ah bah oui. Super, parlons de ça sur cette émission. Eh bien, je peux dire que... Eh bien, je peux dire que le civisme 2.0 est incarné par le bon sens dans le partage de nos posts et des commentaires sur les réseaux sociaux. Cette année s'achève sous la pression du nouveau coronavirus Covid-19. Des fake news et des théories complotistes, les internautes ont été mises à rude épreuve mais le civisme digital a aidé dans la vérification des faits par le partage des bonnes informations. Aussi, au Niger, la fin de l'année 2020 coïncide avec les élections locales, législatives et présidentielles. Et qui dit élection dit également campagne électorale. Par conséquent, des affrontements d'idées. Comme jamais, les Nigériens se sont affrontés sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, à cette période électorale, sur les réseaux sociaux, les affrontements d'idées deviennent de plus en plus basés sur la, sur la vie privée des acteurs politique. Cette situation est due au comportement même de certains leaders politiques, a déclaré Mossi Kaila, le président de l'association des jeunes politologues et diplomates au micro du studio Kalangou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui sont vraiment déplacées. Ces pratiques euh, ont leur source dans les pratiques elles-mêmes de nos leaders. Ça doit être euh, vraiment un débat d'idées, une confrontation d'idées. Mais vraiment, ce n'est plus le cas. C'est une confrontation de vie privée qu'on est en train de constater. Et ça, c'est pas sur les ressources, ça, c'est pratique, c'est sur le terrain. Les gens conçoivent mal la politique. Que faire pour euh, encadrer les débat politique pour éviter les dérapages. Les débats politiques a été depuis encadré, mais c'est la sanction aux règles qui encadre ces débats politiques en cas de violation qui n'est pas respectée. Et tant qu'on peut insulter, vraiment, on ne peut même pas parler de la quiétude sociale parce que là, vous voyez, on est dans une sorte de dépravation de nos mœurs, du terrain politique même. Et vous, ici présent, surtout à vous, monsieur Kémy Seba, vous qui organisez des débats avec des hommes politiques, il vous arrive d'aborder le sujet de Covid-19 avec eux euh, Bon, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas qu'on ait eu à échanger avec un candidat sur autre chose que sa propre vision futuriste pour le Niger. Si vous avez vu le premier numéro, ça a été M. Hamamadou. Nous avons, nous avons tout fait pour éviter le débat sur ce qui fait question autour de la validation ou non de sa candidature. Bazoum également. Et vous n'avez pas parlé de Covid-19 On fait tout pour ne pas parler de ce qui peut toucher à l'orgueil de la personne. On parle juste des visions futuristes. Et pourtant, la Covid-19 fait partie des débats essentiels pour le nouveau candidat. Vous avez entendu nos positions. Si aujourd'hui on avait évoqué ça avec M. Bobazoum, il n'aurait pas compris. Ça ne serait pas ce que ça a été. Nous allons clore cette chronique avec un hommage à Isaka Hassan Karanta, le défunt gouverneur de Niamey, décédé mercredi 23 décembre dernier. Ami de l'émission Tous à la Fada et grand ami du studio Kalangou, va et repose en paix, cher grand-père. Que Dieu lui accorde le paradis. Ce sera tout pour cette chronique. D'ici là, portez-vous bien et en 2021, Inch'Allah. Merci, Mr. Oli. Euh, merci pour tes chroniques toujours aussi jolies. Nous sommes à la fin de l'émission, chacun donne son avis, chacun a une minute ok, d'accord d'expression sur cette émission. Une question à poser, pas de nous prenons en compte bien évidemment ces questions aussi. On va commencer d'abord par euh, mon ami euh, Anan. Oui, Anan, nous t'écoutons. Voilà euh, ce que j'aimerais dire, mhm. c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine incohérence parce que ce que nous vivons à part, la réalité à part et ce que les gens veulent nous imposer à part. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Niger, les gens souffrent du paradisme. Il y a des, milliers de personnes qui sont mortes, particulièrement nous les enfants. Plus mais de 2000. de 2000, merci pour le rappel. Mais les gens ne veulent pas investir dans ça. Donc voilà la contradiction qui

civilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on se protège. Si les autres ne nous protègent pas, on doit se protéger et chercher aussi à ce que Dieu nous protège. Et on finira par notre question de Kevin Seba sur cette émission. Kevin Seba, à toi la parole. Euh, moi, la question que je vais poser à tous et chacun, s'il vous plaît, je souhaite qu'un seul Nigérien se lève et me dise que lui, il a eu son oncle, son ami, son frère, le frère de son ami, le frère de son voisin, le voisin de son voisin qui a une fois eu le coronavirus. ke tambaya ce nake daga duk wanda Niger aka yi shi dan Niger ne yana nan Niger ya ce mini shi ya gani wane cikin kaka na da ake milka dai milka wani dan wani dan gidan su wani abokin wani da yake da coronavirus ya sama ni na gani ni na gani na coronavirus coronavirus kuma ile ile là il est là na gani na tabbaci il il est testé positif Kemi Seba je réponds à ta question pas testé positif Rabi nous sommes Rabi nous sommes à la fin de l'émission une émission spéciale vraiment quoi un duo <laughs> Voilà, c'était le duo euh, Dondi RMK sur Tous à la Fada. On va se retrouver en 2021. Aujourd'hui à la FADA, il était question des mesures, le respect des mesures prises, des mesures sanitaires dans ce processus électoral, Dondi. Hey.